nous avons tout au début prévu de préparer les inondations comme à l'habitude. Chaque année, la commune euh, fait une canalisation sur quelques mètres linéaires. Cette année, on avait prévu de canaliser le site le site euh, Serre c'est au niveau de Mangoï. Et euh, revoir aussi les canalisations qu'on avait faites au niveau de euh, Mangoy, mais ici précisément vers, derrière la commune, et aussi le site dénommé Liberia. L'ensemble de ces sites était vraiment estimé à presque 1000 mètres linéaires. 1000 mètres linéaires. Et cette année, une fois, j'ai eu à discuter avec le directeur général de l'APIX parce que nous, nous avions prévu de canaliser euh, euh, ce, site, de nommer le site des rails. Mais tout, tantôt, tout au début, on avait voulu euh, vraiment verser l'eau à l'intérieur du terre. Et peut-être que ça, ce qui n'allait pas vraiment faire une bonne image vraiment de l'espace occupé par le train express. Euh, comme ni ñu déggoo woon ak commune bi commune Guinaw Rail bi gis nañ ni ñu noonu lañ ko defee lu ñu lu ñu jotoon waxtaan si ñoom lu ñu waroon def liggéey bi ak nu ñu waroon branché ak si suñu réseau bi lii taxoon ba ñu jox jox leen xaalis bi ñu bi leen waxoon euh, jaar na yoon te bokk na ak ñun ni ñu ko waxee woon. loolu dama kontaan nañ ci loolu. Euh, liggéey courant euh, ak ndox fu mu am moom euh, day bëri ay gàllankoor te dañuy sensibiliser nit yi pour ñu moytu courant bi ak ndox fu mu nekk te ñu ngi koy jégalu bu baax. dañuy jàppale commune ñun commune ñu ngi traversé yëpp ci TER bu TER bi traversé yëpp na ngeen di jàppale mun na ba a nekk canalisation wala assainissement waaye dañuy waxtaan ak communes yi rek ñu wax ñu ñoom seen soxla pour ñu jàppale leen si yeneen. infrastructures l'intérêt de cela porte peut-être sur deux à trois niveaux le premier niveau c'est qu'au niveau de Guinaray Nord le long des rails qu'il n'y ait pas d'inondation qu'on permette aussi à la population vraiment de verser les eaux usées à, partir de ce canal mais l'autre chose c'est d'empêcher aussi à la population de verser des eaux au niveau des terres si la population continue de verser des eaux au niveau du terre, ce projet aurait échoué. Mais les raisons pour laquelle, on a presque mis dans chaque 12 mètres, à chaque 12 mètres, vraiment un regard. C'est pour permettre, quand tu sors de sa maison, à moins de 6 mètres, tu as un regard par lequel tu pourras verser tes, eaux usées. Ainsi, on va vraiment faire le maximum possible pour que le long des règles, pour que l'assainissement vraiment soit en vigueur. Donc c'est l'occasion de remercier vraiment l'ensemble de la population, le conseil municipal qui m'a largement appuyé dans ces, dans ces ans de travail, depuis que je suis élu, mon bureau municipal et l'ensemble des équipes. Ça fait un mois, ça fait un mois que nous sommes sur le terrain, là où je vous parle, il y a une équipe qui est au niveau de Galadio qui est en train de revoir la canalisation là-bas. C'est pour que quand ça, ça, ça pleut, vraiment que la population soit à l'aise. Je profite vraiment de cette occasion pour remercier l'ensemble de ces jeunes, jeunes du coin qui ont accepté de mouiller leurs moyens avec notre équipe vraiment pour faire ce travail.